serinka wala mu murimma samama dimami ñoy ñomin serinka ak fatu sibulla ibrahima falit waynana gerem na la duduka inji jata boda wala to duduka duduka fula mamor janjalla wala mamor anton jata sama di mamla. madlen jata ñoy sama wa wa wa ami sugugu moi sa jabar docteur Soviba Ba sa jabar la wa wa du ma ba mu pour l'accueil exceptionnel euh, euh nous ont réservé mon collègue et euh, grand frère, euh, le ministre Abdoulaye la et moi-même, avec tous les maires du département qui sont ici présents, euh, sept maires du département de Malem et, quatre maires, m'aurait-on du département de C'est la montre que toute la région s'est mobilisée aujourd'hui pour venir ici communier avec cette jeunesse, ces femmes, pour cette belle journée aujourd'hui de de du maire de Mabo, qui est un petit frère je euh, parent qui m'a sollicité et qui m'a demandé de venir l'accompagner dans la réalisation de cette, de cette Coupe du Maire en me sollicitant également euh, pour euh, l'octroi d'une ambulance que j'ai eu le plaisir avec mes amis d'octroyer aujourd'hui avec le ministre Ablaï Seydoussol. Vraiment, je suis comblé de joie de me retrouver ici chez moi parce que c'est vrai, on entend beaucoup parler de Doudouka, de Ziguinchor, mais euh, mes aïeuls sont d'ici. mon arrière-grand-père a quitté cette contrée, euh, euh, enseignant coranique. Il est parti ouvrir ses dars jusqu'à Ziguinchor. C'est pour cela Bidouka est devenu un Bidouka de Ziguinchor. Mais donc, mais c'est un plaisir de revenir ici dans, cette région importante qui, est une région euh, qui doit euh, qu'on doit accompagner puisque c'est l'une des régions euh, les moins avancées du Sénégal. Et donc aujourd'hui, avec le ministre Abdoulaye et le ministre Ali euh, nous, avons, nous sommes ensemble derrière le président Macky Sall pour l'accompagner à, mettre en œuvre euh, sa vision dans cette région, l'accompagner à le représenter là où il ne faut pas être dans cette région. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui ici pour euh, participer et assister à cette belle finale, accompagné d'une grande délégation de mon chef de cabinet qui est aussi maire de la, de la localité de Kermaba, ici à côté. Donc pour vous dire que toute la joie que j'ai aujourd'hui de euh, venir ici. Euh, être reçu euh, euh, par, les autorités administratives également, que je voudrais remercier pour leur accueil également. Parce que c'est une demande, pour moi, c'est une, c'est une demande de, sociale de base. Donc, euh, c'est pour cela, dans cette politique du chef de l'État, d'accès aux infrastructures sanitaires, nous accompagnons derrière. Parce que, bon, dit Doudouka a donné, encore donné une ambulance, mais Doudouka le donne pour le compte du président Macky Sall. Donc ça, c'est aussi c'est important, c'est une, c'est aussi une instruction, une demande du président de la République de, le représenter là où euh, les maires demandent de l'ambiance, ils me, ils me demandent de réaliser cela dans la mesure de, mes, euh, de ce qui est possible avec les appuis, avec les amis euh, qui m'appuient beaucoup et qui sont mobilisés et motivés pour justement accompagner la population dans des réalisations qui sont des réalisations visibles et qui servent directement à la population. monsieur la fii sama gox la nag maa ngi fi door a ñëw c'est trop dur parce que man fii laa bokk te dam fiy ñëw parce que sama ay mbokk ñoo fi nekk euh, Serigne Bisa le xalif ici euh, sama mbokk deret la donc euh, man fii sama dañu dégg si Doudou Ka mais sama ay maamati maam fi la dem samp fa seen daara Ziguinchor mais lu ma mën a wax rek mooy tey nii kontaan si jeunesse bi ak si population bi tertu bu rafet bu ñu ma ter bu ñu tertu man ak euh, le ministre euh, Ablaye Seydou Sow muy euh, ministre boo xam ne jàmbaar la si région bi ngi taxaw taxaw bu am solo amul loo xam ne dañ koy séddale rek te du si bëgg indi waa Kaffrine ñëpp Kaffrine boole man ma ko seede parce que yàlla def na man ak moom conseil des ministres bokk nañu Kaffrine mais man ak moom conseil des ministres ñun ñoo dendoo donc lu nekk dam koy dam si dëkk dam si gis taxawaay ak lu mu siy wax donc vraiment ma koy remercier tey lu mu ak tertu bu ma tertu di remercier maire yi fi nekk yëpp les huit maires du département sont tous là remercier les maires de, la commune du département de Malem qui sont là et du département de Catherine, les hauts responsables, les honorables députés les honorables hauts conseil des collectivités territoriales, conseil, euh, du, conseil économique et social, des autorités administratives, mais surtout Samarak, le maire Ali. vraiment monsieur le ministre yow yaay ñew do yónnee kan man sama ngor may moon ma bañ a parce que luma luma sax luma luma jappé luma taxaw taxaw rak ma sëg donc motax ma koy dënk population mabou yëpp ah té luma fi gis ni lu fi gis ni man kontaan na parce que jeunesse bi gis ngeen ni ñuy ni ñuy fête sànq romb nañu jigéen ni mais vraiment muy lu am solo Euh, muy wane euh, au delà fii gis ngeen fii politique que gis ngeen fii ay APR wala ay leneen wala déedéet c' est la jeunesse c' la population c' est président Macky Sall lii la ñu ñëw au près la population ñëw waxtaan ak ñoom ñëw waxtaan ak ñoom pour mën a pour mën a pour mën a justement euh, ànd ak ñoom yegg fu ñu yegg maa ngi leen di sant leen. monsieur waaw doon loo xam ne duñ wax ku nekk gis nga ko def euh, dafa am dafa nekk loo xam ne mën naa ko tànn parce que dafa am na ay mbébét yu bëri yu population di laaj ku nekk mais man pour man ambulance dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que wér-gu-yaram kenn mënul kenn mënul xam suñu borom moom moom wér-gu-yaram ñun moom ñu ko te mën na gaa gaa lu mu tudd sax torof torof mën na la daal fu nekk moo tax may ne may may may man man sama bopp ma ne man damay damay dugg si loolu président de la république nag xaw si jàppale ma si nga xam ne lu koy mën a def boo xam ne état bi ñu ko def jërëjëf ak salaam